le forum du studio le forum du studio nous sommes vendredi 17 mai 2019. merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec les confrères des médias. Actualité oblige, ce soir, nous allons tout d'abord parler des attaques dans la région de Tilaberi où plusieurs soldats ont été tués cette semaine. Aussi, il sera question de la suspension des cours des enseignants-chercheurs des universités publiques nigériennes en grève depuis plusieurs mois. Enfin du football pour évoquer l'élimination de l'équipe nigérienne féminine de football au tournoi de l'UFOA Zone B tenu à Abidjan. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons ce soir euh, Elhaj Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir. Bonsoir. Rufai Dandoua, journaliste sportif. Euh, bonsoir. Bonsoir. Et à la présentation, Rayla Tsoumana. Bonsoir à tous. Un deuil de trois jours est décrété par le gouvernement nigérien mercredi suite à la lourde perte du côté des militaires lors d'une embuscade mardi dans la région du Tilaberi à la frontière malienne. 27 militaires tués, 6 blessés et deux véhicules calcinés est le bilan officiel fourni par le ministère nigérien de la Défense dans l'hebdomadaire Sahel dimanche de ce matin qui a évoqué une embuscade contre des militaires au nord de Mangaizé, village de Balaiberi. Donc je vais commencer par vous, Haj Suleiman. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des incursions dans cette partie du pays et surtout pourquoi le bilan annoncé était initialement différent entre les autorités et ce qui était diffusé sur les réseaux sociaux ben, euh, Je dois commencer par dire que d'abord saluer la mémoire de nos soldats, nos 20 soldats disparus vraiment sur le champ d'honneur. Et ensuite, euh, dire que vraiment l'heure est grave. Hein. Euh, l'heure est grave parce que, comme vous l'avez dit, à bien lire le, message du ministre de la Défense, c'est que franchement, il y a des sérieuses menaces terroristes euh, sur notre territoire. Comme vous le savez, jusqu'ici, ils n'arrivent pas à implanter une base sur notre territoire. Mais franchement, ils sont en train véritablement de chercher apparemment à acquérir cette euh, possibilité. Euh, c'est dire que euh, vous être le bilan entre le ministère et les réseaux sociaux, vous savez en réalité les réseaux sociaux, les gens disent ce qu'ils veulent, mais en tant que journaliste, vous savez très bien qu'on on ne peut que se fier au bilan officiel. Et compte tenu du fait que euh, souvent, quand il y a une euh, situation comme ça, euh, il y a des morts tentées ensuite, à un certain moment, vraiment, pour s'assurer vraiment de la, de la fiabilité de la, de la source, il faut donc attendre, donc vérifier les choses pour qu'effectivement qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Le bilan est lourd, franchement, c'est très lourd. Et hier, on a vu euh, le président de la République, en tout cas, très, très peiné, en tout cas, comme tout, le monde, euh, devant, en tout cas, à l'hôpital de référence, devant les blessés. On sent véritablement que l'heure est grave. Donc, euh, je pense que moi, vous avez évoqué les réseaux sociaux. Mhm. Moi, je suis de ceux qui pensent que, faisant attention, il ne faut pas faire le jeu du terroriste. Ceux le veulent, il faut une action lâche, une embuscade. Les mines, se connu comme étant des armes de lâche. Donc, ils ont effectivement euh, euh, piégé nos soldats Avant de euh, leur lâchement. Dessus. Et maintenant, c'est plus que qu'ils ont, revendiqué cela. Et vous voyez, maintenant, entre-temps, au niveau, donc, au donc, des citoyens, on, donc, se lance dans ce, débat, souvent avec de bonnes raisons, je vais de, de, bonne foi, mais souvent, on fait le jeu dans le sens véritablement des touristes. En tout cas, en à leur donner raison, comme si véritablement euh, il y a des gens qui sont là en fait euh, à, vouloir que cela arrive. Donc, bref, je pense qu'il faut se ressaisir. Euh, nous sommes, moi j'ai le cesse de, en tout cas de répéter, nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique mhm. où véritablement il faut faire attention. Les nations les plus puissantes ont été humiliées par les terroristes pour ne citer que cet exemple, le Nigeria voisin, en termes d'hommes, en termes de moyens euh, euh matériels militaires, il n'y a, pas de communisme avec, le Niger. Mais ce pays est humilié parce que simplement, le mode opératoire des terroristes n'est pas vraiment une guerre normale. sont des gens qui agissent, euh, ils, connaissent le terrain, ils sont, sont cachés quelque part. Donc, ils vont essayer de, donc, de nous surprendre et par conséquent, il va falloir, donc, comme j'aime vraiment le dire, qui cesse en tout cas vraiment de complicité et de complaisance vraiment, parce que dans une union sacrée en tout cas que tout le monde puisse véritablement s'engager, c'est-à-dire que si nos soldats effectivement continuent à être euh, euh, euh, en tout cas abattus comme, de cette façon, c'est qu'en réalité dans une situation, dans une république, les civils sont aussi appelés à être sous le Ils drapeau. Doivent en contribuer. Tout cas, ah, absolument. Donc moi je pense qu'il faut se ressaisir, il faut vraiment savoir les en garder. Mhm. Il y a il faut dénoncer justement, il faut justement déplorer peut-être que s'il y a des défaillances au niveau du commandement, s'il y a des défenses au niveau donc de, la défense, il faut le dénoncer, mais également, en tout cas, pour, me, faire court, en tout cas de mon point de vue, il faut éviter vraiment de faire euh, le, jeu des touristes, parce mhm. que tout ce qu'ils veulent, c'est la communication, en tout cas, qui, nous occupe. En, en, ce moment, ils sont en train encore de planifier autre chose contre, contre nous, en tout cas contre notre Merci El Haj Suleiman. Euh, Roufaï, à vous accès. Euh, comment expliquez-vous euh, et comment comprendre le fait que ces assaillants puissent circuler aussi facilement dans une zone d'état d'urgence Ils étaient très nombreux, paraît-il. Comment expliquez-vous cela Merci euh, Raina. comme El Hajj l'a fait, <clears throat> il faut rendre hommage à, à ces enfants de la nation qui ont perdu leur vie en essayant de nous protéger. Il faut <clears throat> que l'hommage dépasse ce qui a été décrété. Je pense qu'il faut qu'on leur rende un grand hommage, pas eux seulement, et ceux qui, comme eux, ont perdu la vie et dans cette sale guerre. Il faut dire que nous sommes vraiment en guerre. Même si la guerre est asymétrique, on est en guerre et la revendication de l'EI prouve à suffisance, si besoin est, qu'on est dans une situation où une unité de, la nation doit être euh, faite entre tous les fils du Niger. Et il est vrai que, comme l'a dit El Hajj, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui font le jeu des terroristes parce qu'aujourd'hui, avec euh, euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et vraiment, c'est quelque chose qu'on doit déplorer et qu'il faut déplorer lorsque on accuse X ou Y d'être à la base <clears throat> de ces attentats, alors que ce, sont des gens qui sont diffus dans la nature et qui attaquent par surprise. Mhm. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'accuser X ou Y. Mais pour revenir à votre question, comme l'a dit là, ce sont des gens qui connaissent le terrain, même si ce n'est pas heureusement parce que nos militaires aussi ont été formés pour ça, pour affronter toute toutes sortes de guerre euh, dans, dans, un endroit qu'on est censé maîtriser. Je pense que c'est là où il faut se dire qu'après le dé, il faut aussi se poser des questions pour mhm. savoir comment on est arrivé à ce stade. Puisque si, si on fait un, peu la genèse de ce qui s'est passé et avant et pendant les, attaques, il y avait eu l'attaque de, la prison de haute sécurité de Côte-Calais et juste le lendemain, il y avait eu cette euh, course poursuite pour, euh, pour attaquer pour arrêter ces bandits. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait eu ce, euh, cette embuscade. C'est là où il faut se demander où sont tous nos, nos, nos militaires, nos généraux, nos experts en guerre. Comment on en est arrivé au point où on manque euh, de, de, stratégie. Mais le même jour, le lundi, après l'attaque de Koutoukale, il serait vers dans cette, dans cette zone pour euh, détruire euh, les réseaux de téléphonie aussi. Vous savez, madame, lorsqu'on est dans, dans, ce genre de situation, il faut parer à toutes sortes d'éventualités. On est en guerre. Ça, il ne faut pas cacher de vue cet aspect. Donc, lorsqu'on est en guerre, on assoit toutes les stratégies possibles pour faire face aux attaques de l'adversaire. Et je pense que c'est là où on a, où on a failli. Lorsque ces gens-là ont poursuivi les, les, ennemis, ils étaient tombés dans, un piège. Et euh, on a dans ce pays des hélicoptères moi, je ne veux pas parler et je ne veux pas rentrer dans la polémique des, bases étrangères qui sont au Niger mhm. et qui sont censées normalement eh, nous aider lorsqu'on fait appel à eux. Moi, je pense que c'est comme ça. Mais nous-mêmes, on a nos, nos, propres appareils. Lorsqu'on poursuit les ennemis à terre, il faut que ça suive aussi dans, dans les cieux. Et je pense que c'est ça qui n'a pas été fait. Si tel est que cela a été fait, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à ce stade. Mais bon, euh, on est musulman, on est fataliste, tout ce qui arrive à quelqu'un a été prédestiné. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on pouvait euh, prévenir, il y a des choses qu'on pouvait éviter, on ne l'a pas fait, et ces gens sont tombés dans, cette embuscade. Mais je pense que euh, aujourd'hui, que ce soit à Tilaberi, à Difa, que ce soit à vers Agadez, Tawa, on est presque un peu encerclé par ces, par ces forces du mal que eh, tous les Nigériens, de tout bord politique qu'ils soient, puisqu'il ne faut pas politiser les choses aujourd'hui, de bord que qu'ils soit on doit être unis, on doit donner les on informations. Doit parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y ait des gens qui viennent à moto. Quand on dit que sans moto, passe dans un village et que personne ne donne cela, c'est qu'il y a quelque part, il y a complicité mhm. et c'est ce genre de choses qu'il ne faut pas faire. Même si vous n'êtes pas du parti au pouvoir, il ne faut pas souhaiter du mal. Parce que lorsqu'on assassine, lorsqu'on tue des enfants du, peuple, ce n'est pas les enfants du président de la République, du ministre de la Défense, du ministre euh, de la Justice ou, l'argent ou euh, les enfants des membres du gouvernement. Non, ce sont les enfants du peuple. Et donc, lorsque vous ne renoncez pas cela, vous êtes complice de ce qui arrive à mhm. vos frères, à vos soeurs, parce que au-delà des morts des enfants, des jeunes là, il y a les femmes, il y a les, les, les, les leurs mères, il y a leurs, sœurs, soeurs, il y a des Mhm. Donc je pense que euh, on, doit être beaucoup plus intelligent que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Euh, actuellement. Merci Rufai. Donc euh, Issa Madougou, journaliste de la radio et télévision Ténéré, acceptez-vous l'idée que ces assaillants, après avoir commis leur forfait, puissent s'évanouir comme ça dans la nature? Merci Reila. tout d'abord, je présente mes condoléances à toute la nation nigérienne. Euh, je crois dire que la première quinzaine du mois de mai a été trop douloureuse pour le Niger. Vous savez, ça a débuté avec déjà euh, l'assassinat du chef de Inates, le chef, chef traditionnel Inates, suivi par l'explosion meurtrière de, la cité ici à Niamey, qui va au-delà de soixantaine de morts. Nous avons un décès à Koutoukale et ici, voyez-vous, c'est trop pénible pour le Niger. C'est le moment aussi de nous resserrer les rangs et de comprendre que seul par l'unité, nous pouvons vraiment appréhender tous les problèmes qui se posent. Parlons concrètement de ce qui s'est passé à Balébéry. Vous savez, c'est, la situation elle est complexe et chacun y va de son commentaire. Mais de prime abord, moi je pense que c'est l'État nigérien qui a fait en sorte qu'il y a toutes ces rumeurs, ces folles rumeurs et cette fausse polémique qui Comment, que, je m'explique. Parce que je ne peux comprendre qu'à la télévision nationale, on vient lire un communiqué par le journaliste présentateur, la journaliste présentatrice du journal de 21h et que le ministre se permet d'intervenir rapidement sur RFI. Ce n'est pas non. Il ne faut pas que RFI s'approprie de quelque chose qui nous intéresse. Voilà d'où est partie cette fausse polémique. Ici, on parle de 17 morts, de 11 disparus. Alors sur RFI, on a confirmé déjà, on a dit non, les 11 disparus sont morts. Et ils ont eu la confirmation avec le ministre porte-parole. Pourquoi le Niger se précipite à informer l'extérieur alors que on n'informe pas les Nigériens. Donc c'est voilà, c'est cette information C'est la mauvaise communication, la stratégie de communication qui est erronée, qu'il faut revoir. Mhm. On ne peut pas communiquer dans ce sens pour l'extérieur. Communiquer d'abord pour l'intérieur. Et d'ailleurs, même les réseaux sociaux. Moi, je pense que les réseaux sociaux, combien de Nigériens l'utilisent Bon, revenons sur le fait que ces personnes-là puissent euh, Mais disparaître parce que comme ça. C'est normal parce que vous savez, la porosité des frontières avec le Mali, en sorte que ils ont cette facilité d'aller et de revenir. Mais il faut contextualiser d'abord l'implantation de l'État islamique au Grand Sahara. El-Sharawi Kelté, c'était un ancien du moujaou Avec tous ses commandants, quand ils ont quitté le moujaou ils ont fait allégeance à l'État islamique du Sahara. Ils, ont, ils sont restés plusieurs années dans cette zone, pas moindre attaque. Juste, la première attaque qu'ils ont fait, c'est l'attaque qu'ils ont fait vers Akbar, sur, la, frontière du Mali. Et en 2017, ils ont tué les Américains, 5 Nigériens, les 4 Américains. À Tongo Tongo. C'était ça. Maintenant, il fallait s'y attendre parce que c'est pour cela, il y a dans les propos du ministre, moi je, suis d'accord avec, il fallait s'y attendre à cela. Euh, parce que regardez le cheminement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont partis attaquer la prison. Attaquer la prison. Normalement, à partir de Koutkale, pour rallier la frontière, c'est plus fort à partir de Koutkale, pour pointer en haut vers le nord, c'est plus facile de rallier la frontière malienne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ponté maintenant du côté du Mali, ce qui veut dire que l'attaque a été bien préparée. Comment pouvez-vous affirmer oui, l'attaque bien Al-Sarawi, c'est quelqu'un, c'est les gens de terroristes qu'on ne devait prendre aucun risque avec eux. Normalement, dès le jour où il y a les prémices de l'attaque. Quand des individus sont venus en moto détruire les antennes de relais de télécommunication, on devait prendre des mesures pour comprendre qu'il y a quelque chose qui risque de se passer. Parce qu'ils sont venus, ils, ont attaqué Côte-Calais, ils sont pontés directement pour venir dans un endroit où <laughs> l'embuscade était très bien faite. Parce que ceux qui vont quitter Wallam, ils le savent, ils ont, la maîtrise du terrain. Ça veut dire qu'ils ont un petit peu les actions des militaires. Quand vous prenez leur communiqué, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est quelque chose qui a été préparé. Nuit été, c'est euh, ces assassinats barbares contre ces jeunes, euh, contre ces Nigériens, ils allaient aussi continuer. C'est eux qui ont revendiqué l'attaque de Dolbel. El Suleiman, les 27 euh, corps ont été inhumés sur place. D'aucuns disent que les familles n'ont pas été informées de, l'attentat qui s'est passé. Comment, quelle est votre perception de, cet acte Ma perception, je partage la douleur des familles, euh, des membres de familles concernés. Mais il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter. La vie militaire, elle est ce qu'elle est. Selon les circonstances, un militaire peut se trouver lui-même en train d'achever son, collègue pour simplement continuer le combat. Dans une certaine situation où, en plein combat, euh, les, la, situation, elle est, elle est compliquée. Ou souvent, par exemple, les, corps sont détruits d'une certaine façon. Euh, donc, en réalité, la situation militaire, c'est seulement le commandement militaire, je pense, qui peut déterminer comment faire. S'il faut enterrer les gens, dans tous les cas, je pense que ce n'est pas, ce pas nouveau du regard de, de, situation. Comment, quel est le protocole au niveau de, donc de, de, l'armée pour annoncer les choses euh, je ne sais pas. Mais franchement, euh, euh, j'ai vu, j'ai vu ce, ce, ce message d'une, d'une sœur, de, en tout cas, d'un soldat tombé, en tout cas, très, très, je veux dire, sensible, mhm. ce, qui a été aussi partagé à, travers même des médias traditionnels. Mhm. bref, je pense qu'il faut le, se le dire, la vie militaire, quand on choisit cette vie, effectivement, elle a aussi euh, l'autre contrepartie, à savoir que vous avez risqué ce que vous avez le, meilleur. Et maintenant, le reste, ce n'est que des détails. Maintenant, euh, j'ai vu en tout cas le monsieur de, la Défense, en tout cas Farka, le fait que ce qui a prévalu pour décider vraiment d'enterrer euh, ces, corps, nous, pour le moment, c'est la source officielle. Mhm. Maintenant que ceux qui connaissent la crise militaire puissent, en tout cas, se donner, en tout cas, des contre-arguments que ce qui doit être fait n'a pas été fait, à ce moment-là, effectivement, on va déplorer justement que euh, le manquement constaté. Mais pour le moins, euh, je me dis que sur le terrain, la situation est assez complexe, que sont les circonstances qui imposent effectivement euh, l'attitude à faire face aux disparus, en tout cas. Mm-hmm. Donc, de mon point de vue, vraiment, il y a souvent, les gens peuvent attiser des polémiques sur des choses vraiment qu'ils ne maîtrisent pas. Mais je pense que le plus important, euh, on doit en tout cas se renseigner en tout cas du côté de ceux qui savent la chose euh, pour vraiment être édifié. Merci Suleiman euh, Roufaï, vous êtes journaliste sportif. Donc il y a eu l'attaque lundi de de la prison de côte calais Ensuite, la destruction des réseaux téléphoniques au niveau de vers Tongo Tongo. Est-ce qu'avant la revendication de cette attaque-là, vous avez pensé que c'était lié euh, avec euh, les autres attaques. Oui, merci. Avant, avant de répondre à la question, j'aimerais juste parler de, de l'inhumation de ces mhm. militaires. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle bon sens, qui a manqué euh, qui a manqué quelque part. Même si on, on, unime les gens au même endroit, on peut quand même et informer les parents des, victimes parce que tout parent qui a, envoie son enfant dans l'armée, il s'attend à ce qu'un jour qu'on lui annonce ce genre de choses. Mais il faut qu'on l'annonce. Moi, je pense que ça fait partie de, de, manque de, de bonne stratégie de communication qui a toujours caractérisé et ce pays, même au plus haut sommet. C'est ça qui fait que et maintenant, lorsque les gens apprennent que euh, leur fils ou leur, leur mari ou leur frère a été inhumé dans des conditions inhumaines, c'est normal que les gens en parlent parce que ça ajoute à la douleur, ça ajoute au choc et c'est normal que les gens en parlent. Mais pour revenir, par exemple, sur, sur, la, sur la note que j'ai vue, je pense que c'est, ce n'est pas quelque part, ce n'est même pas musulman. Lorsque vous faites un deuil, faites le deuil jusqu'à la fin. Après, maintenant, vous, vous parlez. Mais que vous, vous, mettiez derrière eh, un clavier pour parler, maintenant, accuser X ou Y. C'est vrai, je pas, les gens diront que je n'ai pas perdu un frère ou, un enfant dedans. Mais je pense que le 2, on le fait et eh, dans les conditions religieuses et la mort. Il faut l'accepter quand elle vient parce mhm. que tous, à un moment ou à un autre, on va partir, personne ne sait le conditionnel dans lesquelles euh, il, va, partir. Mhm. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que Issa l'a évoqué. c'est une question de logique. C'est une question de logique. De, les gens là ont déjà attaqué la prison de, de Koutoukale. Ils ont continué pour euh, détruire tout ce qu'il y a comme eh, moyens de communication qui allait permettre de détruire aussi le réservoir euh, qui qui approvisionnaient leur groupe euh, oui, Vous voyez, déjà, on, détruit tout ce qui est euh, moyen de communication. Ça veut dire que vous n'allez pas euh, échanger avec. Maintenant, on, on détruit aussi les réserves. dans l'obscurité. attendez, quand même, c'est là où je reviens à ce que je disais au début. Il nous manque une vraie stratégie. Ou bien on n'a pas de stratégie de, de, guerre, ou on n'a pas de stratégie de ce genre de situation, ou bien les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont là et pour lequel ils sont payés. Et là, comme l'a dit El il faut qu'on sanctionne les gens. Et c'est ça, malheureusement, on ne le fait pas, on ne sanctionne personne. Aujourd'hui, ces, actes barbares vont passer comme ça comme si rien ne s'est passé, on ne va pas ouvrir une enquête, on ne va pas sanctionner les gens. Ce qui se fait d'ailleurs ailleurs, dans tous les pays du monde, quand il y a ce genre de situation, on ouvre une enquête, mhm. on situe les responsabilités, on sanctionne et on prend des mesures. ce qui n'est pas fait ici au Niger. Mais quand toutes ces, ces prémices sont posées, il n'y a plus de, de, moyens de communication, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien. Mais ça veut dire que quand on vous attaque, le temps que vous vous prépariez, que vous vous chargiez des choses pour maintenant nous suivre, on sera très loin. Mhm. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à, à Saint-Cyr on peut savoir toutes ces, toutes ces choses. On n'a pas besoin de faire la, eh, stratégie, eh, connaître la stratégie militaire pour connaître tout ce, C'est une question aussi de bon sens qui manque et je pense qu'il faut euh, ouvrir des enquêtes. Parce que vraiment, eh, ce mois de, Ramadan, on a perdu beaucoup de gens. On a perdu beaucoup de Nigériens avec, Issa l'a rappelé, la citerne et avec euh, les c'est pas ça. est à 103. De, c'est quand je vois des gens qui pensent que quand il y a ce genre de choses, il faut aller sur Twitter pour, présenter les, les réseaux Non, non, pas ça. Ah, pour, présenter les condoléances, je pense que on est en train de, de quitter nos fondamentaux qui sont les bases religieuses parce que ce n'est pas comme ça qu'on n'est pas Donald Trump qui, qui, euh, <laughs> un peu n'importe En parlant de religion, Issa Madougou, il y avait l'église de Dolbel euh, qui a été attaquée aussi, où un père a été euh, blessé. Quelle interprétation faites-vous concernant cette remontée des attaques des églises, des lieux de culte, Burkina, Niger, frontières je, voudrais un peu ajouter ce que Rufa a dit tout à l'heure hum. par rapport à la gestion. Hum de cette crise, quand il y a vraiment beaucoup de défaillances et d'échecs, il qu'il faut prendre des décisions. Il faut sanctionner. Moi, je pense que tous nos pays, les, pays amis avec lesquels nous nous trouvons dans la même dynamique de lutte contre le terrorisme, à un moment donné, ont eu à sanctionner a fait changer l'équipe d'Iran au Burkina. Par exemple, que depuis 2015, quand il y a eu l'attaque de Karamga, là on parle de plus de cinquantaine, mhm. certains parlent même de 70. Il y a des corps même qu'il y a des gens qui témoignent qui n'ont pas encore retrouvé. Depuis l'époque, on n'a pas sanctionné. Et ici, on est en train de s'engouffrer dans une situation où il n'y a pas de sanction. Donc il faut prendre... Il y a une équipe qui est là. L'équipe n'arrive pas à trouver les recettes pile-pile, même pour un peu amoindri parce que nous sommes fatigués chaque fois on nous dit que non on a les courses poursuites sont lancées qu'on n'arrive pas à les rattraper mais bon sang ce sont des humains comme nous devenons à notre église voilà écoutez par rapport à ça <laughs> c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure je l'avais dit quand El Baghdadi était sorti pour lancer un appel au niveau des moujahidines les les, les djihadistes euh, de l'État islamique pour euh, l'Afrique de l'Ouest, on devrait s'attendre à cela. Mais les gens pensent que parfois, quand certains parlent, qu'il faut les laisser. Non, peut-être qu'ils ne s'adressent pas à nous. Non, l'information, aussi qu'elle soit minime, aussi qu'elle soit un peu datée, euh, euh, euh, comme antidatée, ou bien qu'elle soit un peu métamorphosée, il faut la prendre avec sérieux. Dolbel, ce qui veut dire qu'ici, s'ils n'ont pas réussi leur coup de Balébéry, ce qui veut dire qu'à Dolbel, ils vont pas raté. Et si vous vous rappelez, Dolbel, c'était juste quelques jours après de ce qui s'est passé au Burkina voisin ou dans une église, les gens sont venus un jour, de culte pour massacrer euh, euh, euh, les, croyants chrétiens. Donc moi je pense que ça, ça devrait nous interpeller. Aujourd'hui, la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire des autorités. Moi, je pense que nous tous, nous devrons faire des efforts pour comprendre. Mais de l'autorité, qu'est-ce qu'on attend les effets de frustration, les paroles, certaines paroles qu'on entend. Mais c'est bien normal que les gens s'expriment ainsi. Parce que pourquoi On nous a fait croire que nous avons des amis, qu'on a fait, qu'on a invité chez nous. Mais certes, on ne nous a pas dit comment ces amis-là peuvent nous aider en cas de problème. C'est tout ça. C'est parce qu'il y a tellement de flou dans ça que les Nigériens, certains Nigériens expriment leur frustration. Aujourd'hui, les Français qui disent qu'ils n'ont pas été euh, euh, appelés au secours pour intervenir dedans. C'est Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avancer assez d'arguments par rapport à cela parce que nous ne savons pas les clauses réelles de la présence et les conditions dans lesquelles la France, les soldats français devraient venir en aide aux soldats nigériens. Tout ceci, c'est parce que c'est l'État nigérien qui n'a pas pris le temps et le soin d'expliquer. dans l'autre, ces personnes-là, selon vous, devaient être euh, rattrapées. Euh, effectivement, si on avait eu l'appui. nous nous avons des, drones, non nous, rappelle, le ministre l'a dit, on avait des <laughs> drones. en plus, c'est comme, comme, comme les sapeurs-pompiers, quand il y a un incendie, le chauffeur ne peut pas prendre son véhicule pour venir directement. Déjà, quand on appelle lui, il ne prend pas, il faut qu'il ait la décision qui vienne d'en haut. C'est la même chose, on ne peut pas, par exemple, même si les Français et les Américains sont là, dès qu'il y a attaque, ils ne vont pas va prendre leur drone pour <laughs> sur notre aspect de ce forum. Merci. Autre aspect de ce forum, euh, rien ne va plus dans les universités publiques euh, du Niger. Bientôt quatre mois que les cours ont été suspendus dans les différentes facultés et pour cause, les enseignants-chercheurs ne sont pas d'accord pour que les recteurs des universités publiques et leurs adjoints soient nommés en conseil des ministres, alors que l'État du Niger a déjà adopté le texte le 18 avril dernier. El Hajj Suleiman de Niger Inter, quelle issue voyez-vous pour euh, l'année académique 2018-2019? Euh, euh, ben, Franchement, euh, c'est que, en termes d'issue, la question qu'il faut se poser, à partir du moment où le gouvernement a fait voter donc la loi une fois qu'elle est promulguée, maintenant, la question qu'il faut se poser, quel est l'autre élément de recours pour le SNEX Je ne le vois pas. Ils voient ah, la seule arme qu'ils ont, c'est de continuer à gréver, faire une année blanche. Euh, donc, bon, franchement, je pense que. Il faut noter aussi que leurs salaires sont. Justement, il y, a, des coupures. C'est-à-dire que dans cette situation, moi, j'avais un moment, au début de cette crise-là, fait un article où j'ai essayé de, mettre en évidence, euh, en tout cas, ce qui a manqué, ce qui est regrettable, c'est le manque de dialogue sincère entre les deux parties je pense que quand je vois le SUNEX c'est quand du pays avec le gouvernement, ils sont censés s'entendre en tout cas pour qu'on ne puisse pas vraiment aller dans cette situation. Mais malheureusement, malheureusement, euh, ce n'est pas le cas. Le dialogue n'a pas marché et on est dans cette situation, cette impasse, j'allais dire. Euh, donc, bon, euh, je constate que quand j'ai lu le dernier communiqué du SUNEX, en tout cas, j'ai vu que les étudiants ne feraient pas mieux en termes d'extrémisme dans cette voie de vouloir faire. Mais il va falloir se ressaisir, se dire que que faire pour l'école nigérienne il faut que euh, les engager discussion... Aujourd'hui, la victime, je pense que c'est les étudiants qui sont là, en train de regarder, eux, le gouvernement et les anciens, en train, d'une certaine façon, entre guillemets, jouer, en tout cas, avec leur avenir. Euh, donc, euh, moi, je pense que, en tout cas, c'est bien déplorable. L'école nigérienne, en tout cas, elle a tant souffert, en tout cas, de, de nos écarts. Il va falloir euh, et le gouvernement et les enseignants, en tout cas, qu'ils puissent vraiment se les saisir pour mettre en avant vraiment cette école. Parce que franchement, on ne peut pas avancer dans un pays où tout est prioritaire. Mhm. Euh, lorsqu'on se permet effectivement de créer des situations de blocage de cette école, on se pose la question, mais où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va Roufaï <laughs> Est-ce qu'il y a de l'espoir euh, pour que l'année puisse être sauvée Je pense que ça n'émeut personne. Hein. <clears throat> Et le gouvernement, les anciens chercheurs et même les étudiants, tout le monde se, plaît dans cette situation. Et bon, voilà, ça fait quatre mois qu'ils sont... Comment ça, tout le monde se plaît Oui, ils se plaisent dans, ça. Et les anciens chercheurs et les, étudiants ne font rien. Les anciens chercheurs campent sur leur position. Le gouvernement aussi. On s'est dit, OK, on continue comme ça. Quatre mois, je ne pense pas comment on peut sauver une année on est académique, universitaire, normalement, une année une vraie année académique universelle, c'est six mois. quand on perd quatre mois, on ne peut pas rattraper ça. C'est ça peut-être quand on dit, bon, il faut sauver l'année, maintenant on pousse les gens. Et c'est pour ça que vous avez des étudiants ou des futures élites du pays qui sont incapables de vous faire des raisonnements logiques, cohérents, de vous faire et des analyses et, claires sur la situation du pays. Or, lorsque et on est dans une situation difficile, c'est vers l'élite qu'on se tourne pour nous faire des, des analyses claires pour une sortie des situations. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, quoi. Et donc pourquoi maintenant c'est aux journalistes de donner la, solution Non, les journalistes aussi n'ont pas la solution parce que <laughs> eux-mêmes ils sont <laughs> tout est prioritaire, <laughs> comme, a dit, comme a dit El Haji. Vraiment, vraiment, c'est regrettable cette situation. Et dès l'instant où la loi a été promulguée, normalement publiée au JO, mhm. elle, est censée avoir force de loi. Aujourd'hui, moi je me. Ils disent que, c'est anticonstitutionnel. Qu'est-ce qui est anticonstitutionnel du moment où, le Parlement a voté ça Moi, ce que je ne comprends pas, qu'on vote, qu'on élise ou qu'on nomme un, un, un recteur, ça change quoi à l'université quand on l'élisait, il n'a jamais été un contrepoids euh, face au, gouvernement. Quand on, quand on va le nommer, ça va être un, monsieur issu de leur rang et qui, doit, qui a les capacités, parce que ce n'est pas n'importe qui. Déjà, il faut avoir l'âge pour être euh, recteur, il faut avoir euh, un, de grade requis pour être. Donc, ce sont des gens qui, sont issus de leur milieu qui seront nommés recteurs. Et s'ils n'ont pas confiance en ces gens, c'est qu'il y a un malaise au sein de, du, du, du SINEX. Maintenant, autre chose encore, c'est que c'est même anciens chercheurs qui, qui veulent qu'on leur, laisse la possibilité de choisir mhm. leur euh, camp. ils l'ont toujours fait. Ça a changé quoi Rien. Et moi, je me dis que c'est quelque part de justice je l'ai dit ici, c'est quelque part justice. Peut-être que ça va bientôt changer. on, se rappelle quand ils ont, quand ils ont eh, gâché l'avenir de, quelques étudiants dont le SG CITA aujourd'hui qui, est obligé de quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Beaucoup ont vu leur avenir gâché parce que seulement ils auraient proférer des, des, paroles ou des menaces à un, un, intouchable ancien chercheur. Aujourd'hui, on les a touchés, tout le monde. Personne ne va les soutenir, ils vont finir comme ça. <laughs> Issa Madoukou, pensez-vous que les négociations vont reprendre entre le gouvernement et les enseignants-chercheurs ben, si euh, les gens arrivent à retrouver le, chemin de l'école des classes, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais de toute façon, qui va sortir perdant de cette affaire C'est que c'est le pauvre euh, étudiant. Les enseignants-chercheurs aujourd'hui, ils vont continuer à lancer, à reconduire leur mot mais la faute revient au gouvernement. Parce que moi, j'estime que du moment où vous avez fait adopter, voter votre loi, non, rien ne peut vous arrêter aujourd'hui à continuer à mettre la machine en œuvre. Il faut que la machine soit dynamique. Parce que l'effet de groupe, aujourd'hui, on peut recruter des enseignants-chercheurs si, parce que s'ils ne veulent pas continuer à, à hypothéquer l'avenir des jeunes Nigériens. C'est pas possible. Des pères de famille qui aujourd'hui, il y a pas, qui, quelle est la voix qui s'est pas levée aujourd'hui dans ce pays pour demander grâce Déjà, ils sont, ah, donc, c'est pour cela qu'ils <laughs> sont en train de, de, de, de prendre en otage. donc, c'est pour cela, non. il y a des voix qui se sont levées pour leur demander de grâce il faut sursoir, il faut trouver des terrains d'entente, avec, avec le gouvernement. Mais vous êtes toujours cramponnés des intellectuels, toujours à leur, position, pour dire que non, nous. Encore, Zouroufa, il a dit tout à l'heure, quand on votait les, euh, les recteurs, quel est le changement qualitatif que ça a apporté dans la gestion de ces universités On ne voit pas. Mhm. uniquement si ce n'est pas des, grèves perlées pour demander des frais de recherche, dans des mhm. recherches qu'on ne voit jamais les résultats. Mais il faut qu'on travaille pour ce pays. Il faut qu'on d'avant, qu'on arrête de se dire que non, moi je suis le plus premier, le Niger doit être second. Non. Il faut que quand on veut construire le pays, il faut qu'on fasse des sacrifices nous-mêmes. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est au gouvernement de prendre les dispositions pour arrêter vraiment cette bavure. Parce que déjà, le premier semestre dans le système LMD est déjà parti. Maintenant, ils sont à l'entame du second semestre. Et quand ça va continuer, c'est qui dire que c'est une année de retard de plus. Donc, s'il faut faire trois ans pour la licence. Ils sont déjà en retard. oui, ils sont déjà en retard. Maintenant, ils vont encore accumuler d'autres années. Voyez-vous C'est fini. you. du sport euh, football dans ce forum de la presse. 32, euh, c'est le nombre de buts euh, encaissés en trois matchs par les Gazelles, l'équipe nigérienne féminine de football, suite à leur rencontre respectivement avec les équipes du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. C'était à la deuxième édition du tournoi de l'UFOA Zone B, la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football qui s'est déroulée à Abidjan en Côte d'Ivoire, à laquelle participent huit pays de la sous-région. Un résultat qui a fait le buzz euh, sur les réseaux sociaux. Rufai Dandoua, je commence par vous, vous qui êtes euh, le journaliste sportif. Comment appréciez-vous la participation des gazelles lors de ces trois matchs livrés à Abidjan Oui, euh, comme disait un, sportif, un sportif français, l'essentiel c'est de participer on a participé. Et, mais malheureusement, on a, perdu. Mais on n'a pas perdu dans la dignité. C'est là le drame. Hmm, quoi Le problème, c'est que c'est le drapeau du Niger qui a été, l'hymne national du Niger qui a été chanté. C'est pour ça que ça, ça, fait mal aux, gens. Que les gens disent qu'il ne faut pas parler, je pense qu'ils sont en tort. On doit parler. Et si on avait perdu 1-0, 2-0, 3-1, les gens ne trouveraient pas à le dire parce que c'est vrai, perdre devant le Nigeria qui a été champion du monde ou champion d'Afrique aussi, c'est on peut dire que c'est normal. Mais quand vous voyez la manière, vraiment, c'est regrettable. Et le problème, c'est quoi S'il n'y avait pas euh, les, moyens pour le faire, tous ces pays qui, qui, qui ont développé le football féminin, ils ont eu le soutien de, de, la FIFA. Chaque année, dans le budget que la FIFA envoie dans tous les pays du monde, dans le Niger. On envoie la même chose à la France, à l'Allemagne, au Niger, au Nigeria. Vous, voyez, donc, on, ne fait même pas de différence. Qu'est-ce qui ne marche pas alors C'est parce que l'argent, quelque part, est bouffé ou est détourné à, à, d'autres fins. Puisque ça fait longtemps. C'est pas la euh, le, le, président de la fédération est à son troisième mandat, je crois. Depuis qu'il était au premier mandat, il y avait les, fonds pour le développement du football féminin qui est versé. C'est passé où ça fait quoi Plus de 10 ans. En 10 ans, on pouvait avoir quand même euh, un semblant d'équipe. Mais là, on n'avait même pas de semblant d'équipe. On a été humilié au, Burkina Faso. Et maintenant, chaque fois, on vient, on nous dit, non, c'est, on est à l'apprentissage. Quand on gagne, oh, je me rappelle, on était au Burkina, on avait gagné un match, un mini tournoi qui s'est joué au Burkina. On dit, ah, on a une belle équipe. C'était bien. Aujourd'hui, comme père, on dit non, non, on est en apprentissage. Or, c'était presque les mêmes filles. Mais on ne finit jamais d'avoir... justement, c'était presque les mêmes filles qui étaient là-bas qui avaient gagné. Même si nous, on avait amené une équipe nationale et les autres, c'était des clubs. Mais quand même, il y avait une ossature comment tout, est, tout est émetté en, un temps Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi. On ne peut pas prendre des gens, les filles, on les a amenés en pâture. On les prend quelques mois ou quelques jours avant le tournoi, on les, on les prépare pour juste aller faire de la figuration. Vous voyez, non et maintenant, quand on revient, on dit non, non, c'est la faute à l'État. Toujours c'est l'État parce que l'État a le doulage. c'est le ministère des Sports parce qu'il a le doulage pour prendre. Non, si vous ne pouvez pas participer, dites qu'on n'a pas d'équipe, on est en train de mettre l'équipe en place. Maintenant, cette équipe peut se préparer et dans tous les pays, maintenant, il y a des championnats féminins. Mhm. Pourquoi on Pourquoi on n'a pas ça Alors qu'il y a un fonds qui a été versé par la FIFA pour le développement du football féminin. Il y a du travail alors. Elle a les oui. au vu de ces prestations des équipes féminines de football, comment expliquez-vous ces, défaites euh, Il n'y a pas, il y a pas d'explication. <laughs> Moi, je pense que, bien n'étant pas très savant dans les affaires de football, je sais que, par exemple, dans le cas du boxe, à un moment, on abandonne. Par exemple, lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas du basket quand même. On est à l'aise du football, ce n'est pas du basket. Donc, je pense qu'on peut abandonner. Une fois qu'on dépasse les 5 buts, ou bien le on, on, arrête. Vraiment, nous, on abandonne quoi. Vraiment, pour... Parce que comme il a dit, c'est comme le pays. <laughs> D'accord. Issa Madougou, que faire pour rehausser le niveau de notre équipe nationale féminine Si elle existe, si ce n'est pas du bricolage il faut un championnat. Par, exemple, moi, quand j'ai vu le, premier match, c'était 12 à 0, je crois 12 À 0. 12 à 0 contre le Mali, j'étais un mhm. peu dépassé parce que je me rappelais, à un temps, il y avait un tournoi euh, qui est initié ici au lycée Olinga. Mhm, mhm. De, de, de, Moi, j'ai couvert plusieurs. Vraiment, ce tournoi. Mais où sont ces, ces filles-là le, non, c'est parce que les gens, là, j'ai compris que les organisateurs de tournoi ne sont pas vraiment en, bon, rapport. Le monsieur avec faisait ça, je crois son nom, à un moment, il a été mis de côté. Il avait même l'équipe nationale, mais il a été mis de côté pour, parce qu'il ne soutenait pas eh, les, dirigeants du football en place. Mais c'est comme ça, c'est ça, ça C'est ce qui est vraiment qui est regrettable. Faire en place, mettre en place une équipe féminine, mais si les autres ont pu arriver, mais moi, je pense que ce n'est pas difficile. depuis combien d'années il y a ce projet Et la FIFA, ce que Rufai disait, la FIFA a fait des, des, séries, des séries et des séries de documentaires sur la promotion du foot féminin en Afrique. même les infrastructures, l'accompagnement, les, les équipements, tout, ils ont mis l'accent sur ça. Moi, je suivais un peu de trait pour le Mali à travers de leur chaîne comment le foot féminin est en train de se développer. Ils ont une compétition nationale où des équipes chaque année ont leur propre compétition. C'est vrai, c'est pas comme à l'image des autres pays. On pourrait peut-être quand... emboîter le pas, non quand, quand même les hommes, aujourd'hui, on est, on quoi. Donc c'est normal. Merci, chers invités. C'est sur cette note de sport que se referme le Forum de la presse de ce vendredi 17 mai 2019. Euh, nous étions en compagnie d'Elhaj Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter, euh, Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré, et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi dès 17h15 pour le forum en Hausa et dimanche pour celui en Zarma sur la gestion des ressources partagées à Gaïa, région de Dosso. C'était Raylet Soumana à la modération et Issa Lawali à la technique. Au revoir.